shirinmu a tsuwa fada barkan ku da war haka bienvenue dans notre émission tous à la fada wace ni fanta shamsu zani gabatar. Yau a cikin shirin namu nous allons parler des actions de solidarité des jeunes pendant ce mois béni de Ramadan. En effet, pendant le mois de Ramadan, il ne pas rare de voir des jeunes s'organiser en association, procéder à des actions d'entraide, ce sont par exemple des collectes et des dons aux plus démunis, des ruptures collectives, etc. Et ana nan idan watan azumi yazo kungiyoyin matasa da dama sukan tsara ayyukan taimako ga waɗanda ba su da shi a da gidajen marayu da kuma sauransu. Yaya ne matasa ke tsara waɗannan ayyukan taimako? Me ke kawo musu cikas wajen tsara su? Me yasa ayyukan nan nasu ka fi yawa a cikin watan azumi? C'est à toutes question questions que nous allons répondre dans notre émission aujourd'hui. tout à la fada kamar yadda kuka sani, ce sont des échanges de la musique et la chronique le tout en 35 minutes. masauraran mu yau mun haɗu ne a nan cikin harabar filin studio kalangu domin tattaunawa akan shigon namu na yau wato les actions de solidarité des jeunes pendant ce mois de ramadan Nous allons parler de comment les associations des jeunes s'organisent dans ce mois et les problèmes qu'ils rencontrent. Yau mun gayyato muku matasa waɗanda ke cikin ƙungiyoyi daban-daban masu ayyukan taimako musamman a cikin wannan wata na azumi. Za mu jaye mu ba su fili kowannensu su gabatar da kanshi da kun ƙungiyarsa. Bonjour, don euh, ni sunana tambari idrisa mamba ne na kungiya wadda ake cima gvn shine jean volunteer du niger eh, jean volunteer du niger kungiya ce wadda an ka aza a cikin niger wadda ta kumshi ayyuka na benevola da volontariya wanda samari sun ka taru tare sun ce za su kawo solution a matsalolin da eh, take fuskanta saboda su kawo sauyi. Ok Tambari, bienvenue dans tout ça Merci beaucoup. Bonjour, donc moi c'est Reki Aboubé, je représente l'association Ardeyeso dont je suis la vice-présidente. Donc euh, je vais rejoindre ce que M. Tambari vient de dire. Mouma Kungia Chieta Matasa, de ça fait trois ans que ça, on l'a mise en place. Euh, Ayuka Mikieta Matassa, Matasa, de Moutemakama et Bienvenue. Merci. Mon nom c'est Kabo Hadiza. Je représente euh, Givers for Iftar. Donc euh, nous les Givers, ce qu'on fait, c'est on collecte les dons en nature comme en espèces donc euh, don mu samu mu taimaka ma les démunis wanda ba su da abun bude baki da sauransu donc on fait des plats tout chaud qu'on partage voilà donc euh, bienvenue dans tout ça la fada merci kafin mu tsindima a euh, cikin shirin namu zamu ji yanda da wani rukunin matasa da ake MP wato les musulmans productifs suke tsara su ma nasu ayyukan dans cette interview que la présidente du groupe nous a accordé Nafisa Maiduka donc la dernière activité qu'on avait faite pour la toute première, c'était la maternité pour des Donc, j'ai bien qu'on amène ah. des trucs, c'est vraiment pas grand chose, mais quand même, on se dit que ça peut aider quelqu'un. Même si c'est un tout petit, quand même, on recherche juste la récompense.

même si c'est pas un jour, deux jours à Pour l'activité de Gazobi, ça, on avait eu aussi. Avant, on avait l'habitude de leur amener du savon également parce que les maternités maternité, on amenait. La dernière fois, au dernier de eau de javel, mais cette fois-ci, il n'y aura pas d'eau de javel. Ni voir un, euh, au mot, pour voir un savon également. Donc, on a fait des kits kits. On a eu à peu près 100 et quelques kits. Voilà. En fait, on n'a pas assez de moyens pour faire grand chose, mais quand même, on se dit que le peu qu'on fait, ça peut aider quelqu'un. Donc, Tambari, je veux commencer avec toi. Quelles sont les activités que vous avez déjà réalisées pendant ce mois de Ramadan et les mois de Ramadan antérieurs? wannan aiki ne wanda mun ka saba yi shekara da shekaru a tumoma wanda muke samu mu taimaka ma mutane suna cikin matsala don saboda in muyi lansan collecting kamar wanda ke da domanar volunteer ne wanda ke jin yana iya taimako yake ba da gudunmuwar shi to shine ake tarawa sai a samu wa'anda an kaga suna da matsala sai a ji a taimaka musu yawa misali na ɗauka bara mi da mine ne kuka yi musamman cikin watan azumi to bara a cikin watan azumi eh, a biskan gvn wanda activity wanda mun ka yi shine wanda mun ka yi collect in kaya da kuma mun ka yi samu mun ka yi collect volunteer na mutane kowa ya kawo abun da gare shi sai an ka samu an ka zo bayan istad akwai eh, mutane eh, 'yan bara nan da ke zama wanda ilon palemoya sai mun samu musu da je reviens vers vous rakiya quelles sont les activités que vous avez déjà réalisées pendant ce mois et peut-être les autres ramadan antérieurs Ok, donc euh, nous concernant les, les activités pendant Ramadan, nous avons débuté l'année dernière où pendant le mois de Ramadan, nous avons effectué, euh, lancé une collecte parce que c'est de la manière dont nous on opère en fait. On lance des cagnottes en ligne et on permet à la diaspora aussi de contribuer donc à travers Litchi et PayPal et aussi ceux qui sont ici à travers toutes les agences de transfert et les réseaux téléphoniques aussi. Donc on lance une cagnotte sur une période donnée. Il y a de et nous on on, cible un orphelinat parce qu'on travaille beaucoup, beaucoup plus avec les orphelinats. Donc, en avance, on cible un orphelinat et on dit, OK, on est en train de lancer une cagnotte sur un mois pour tel orphelinat. Donc, à la fin, nous, on ne donne pas l'argent on fait, on, paye. Si c'est le vivre, le, besoin, si c'est les habits, le besoin, à la fin de la collecte, on paye ce qu'on peut payer avec l'argent qu'on a collecté, on le fait. Donc l'année dernière, c'était pour l'orphelinat Amalama Ouda. On avait lancé une cagnotte et on avait eu, euh, en tout cas, ce qu'on espérait avoir, c'était 700 000. Je me souviens très bien et on a eu 1 million 200 et quelques mille à la fin de la cagnotte. On ne s'y attendait pas du tout. C'était une première et c'était magnifique, machallah. Donc on a organisé une rupture collective avec les orphelins et avec le reste de l'argent vivre donc cette année on est en train de faire la même chose dans la même lancée et cette année c'est pour l'orphelinat Aboubakar Sidik qui se trouve vers le quartier Poudrière donc on a fait la même chose le même processus on a lancé la cagnotte avec un objectif de 2 millions de francs CFA à collecter euh, sur un mois et alhamdulillah au jour d'aujourd'hui on est à 2 millions 500 et quelques et la cagnotte sera clôturée le 15 avril en fait donc euh, on est toujours dans le process et on a déjà dépassé notre objectif donc euh, on a déjà utilisé la première partie pour payer des vivres pour ces orphelins-là. Adisa, euh, quelles sont les activités que vous avez déjà réalisées et, vous opérez depuis combien de temps Bon, on a commencé il y a quelques semaines déjà. donc ça ne fait pas longtemps donc euh, il y a à peu près deux semaines haka mukahara de l'idée était partie comme ça et il fallait que mouma mugoda volontairement donc on a décidé de cotiser tsakanin pour que Mohara dans un premier temps et on a cuisiné tous les jours là. Après, avoir la dégustation, bien sûr. <laughs> Alors, <laughs> fara donc on a préparé à manger tous entre nous on a cotisé on a fait les plats c'était vraiment riche en émotions parce que zaka ga wasu mutane da dès que tu leur tends un plat bu san inda zu saka ba sun gode sun on a même pleuré <laughs> on a même pleuré le jour là parce que vraiment tu te dis que adam il est ingrat quoi mu muna da wasu matsaloli da ya wuce abinci su kuma et tout donc vraiment c'était avec ça qu'on a commencé après on a commencé à avoir euh, les dons vraiment de partout. Et on a commencé à prendre même des, des, gens qui cuisinent tout ça là. Et vraiment, alhamdulillah. Donc c'était, on a eu à faire que deux activités Donc, euh, et on va continuer, Inch'Allah, jusqu'à la fin du mois. Ok, bon courage. Et je veux revenir vers toi. Il faudrait qu'ils viennent nous dire euh, comment eux, ils s'organisent pour opérer de leur côté. Vous, comment s'est fait l'organisation de votre côté L'organisation s'est fait dans le groupe. Dans le groupe, on lance une affiche et on met les numéros des gens à contacter. Donc vous avez des groupes spécifiques? Oui, akwai group wanda da kwai na WhatsApp wanda duka groupe. suke ciki. Yanzu cikin group in ne groupe lancé ake affiche a yanzu sai a nimero wanda ke da kamar niyyar taimako sai ya kira bisa nimero nan ya ce na aika kuɗi ta nita ko al'iza ku je ku yi recupere don saboda ku gara biskan aikin da za ku yi ku je ku yi activité yanku donc c'est à peu près le même processus da mu da nasu mu kanyot imu ba mu sa bar pour dire que ga kuɗin da daidai muke jira mu samu donc c'est ça un peu la différence da nasu wanda suke yi mu libre c'est permis a tutan shakan duk wanda ke da niyyar ya bada kenan in mun ka tsaida daidai kudin da an ka samu da su ne za a aiki ba ku da bar comme tu viens ba mu sa bar ba bisa euh, harkar vous Rekia, vos cibles ce sont les orphelinats vous dites et vous Hadiza quelles sont vos cibles et comment est-ce que vous les repérez Ok, donc euh, nos cibles généralement, depuis qu'on a commencé, en tout cas, c'est les maternités. Donc euh, on avait commencé avec euh, Magama, Kwartegi, Dar Salam, Lazari. Et la semaine passée, on a partagé dans les CHU, CHU La maternité centrale, hôpital, hôpital Poudrière. Donc voilà, E kuma bu fait le repérage kamar yanzu shiga da ne kuke yi ku ba ma duk wanda kuka gani ko kuma bon ba duk wanda muka gani ba mm-hmm. parce que akwai wanda bai da bukata en réalité parce que suna da halin yin samun shi mais tu vois dans les dans les hôpitaux par exemple kana samu in kauye dake zawa kuma busu da abin da zasu ci an tan normal men ba ma sai cikin azumi ba to ga wanda yayin azumi ga yanan kawo ni da yunwa da ishirwa tusala vraiment c'est c'est une manière de les soulager en quelque sorte voilà Amis de la FADA, comme vous le savez, dans notre émission, nous accueillons Dondi avec sa rubrique L'artiste s'exprime. Hamdi, Malam, Dondi la machine te souhaite la bienvenue. Yo, na iso de singara gyara zaman far kai ba dan naga kusu jagora naga kai musu amdi malan ya fi asusu hey shi mai kuɗi fada faɗa idan ko ka sha shi sai dama Yo, nadama yau magana yinka kana son ka ganni hamdi malam har Montpellier farko yaushe an ka ina eh. ne za mu pourquoi le Hausa à travers Tekno sunana Sheikh Ahmed tujan hmm. na fara music a garin murya hmm. cikin babban birnin da wagaram hmm. eh, dubu biyu da shida eh, a lokacin da na fara music ina cikin group ne sannan bayan wannan na shigo babban birnin yamai saboda ci gaba da karatuna allah haɗa da wasu abokanai na wanda cikinsu akwai ɗaya wanda yau shi ma samu eh, tauraruwar shi ta haska ana ce mai fiaxi mon groupe tare da Ah, Fiaxi, vous avez fait, vous avez. Euh, évidemment. Ok, avec, avec Fiaxi Ouais, ouais. C'était en 2010, 2011. C'était quoi le groupe avec Fiaxi euh... Parce qu'on a reçu Fiaxi ici, hein, je me rappelle très oui, bien. Oui, évidemment, mais ah c'était juste un groupe scolaire en fait. On avait représenté Eh, a lokacin mun jagoranci wani wasa da aka yi tsakanin alakon eh, allah da ikon shi kuma mu muka samu muka wannan gasa bayan wannan eh, na haɗu da wasu abokanai na su ma an dozi wanda da su ma mun yi kiran wani group ana ce new revelation wato sababbin matasa sannan bayan new revelation mm-hmm. a 2015 a ni kadai na fara shirye-shiryen album ina na harko kenan daga 2015 zuwa 2018 saboda a 2018 na hudu album ina sannan na yi wasana na fari shine goma kenan ga watan biyu watan february eh, na 2018 sannan wasan na an yi shi a mgc jadu seku na yamai ya yeah, tu as continué en carrière solo bah, Après ça, c'est de succès en succès. Oui, bien sûr. Grâce à <laughs> Dieu, en tout cas, on a fait pas mal de trucs qui ont marché et voilà, grâce à Dieu, on ne connaîtra pas la honte. Bien sûr. Et on va parler de tout ça dans un deuxième angle. Alors, Hamdi Mala, New Génération, vous avez une fois aussi reçu avec ta hein. Exactement. Je me rappelle très bien. Exactement. Ça va quand est de, de, de New Génération eh Elsa et le, euh, troisième. Euh, Shidi Banks. Shidi Banks. Hein. Voilà, évidemment, New Generation, c'est un groupe que moi-même j'ai créé et, que j'ai produit à moitié parce que j'étais le coproducteur de New Generation. Donc euh, on a produit un album ensemble. Et par la suite, il y avait quand même chacun déjà avec sa, carrière solo. Donc euh, obligatoirement, euh, le facteur temps faisait que chacun voulait aussi expérimenter d'autres trucs. Donc on s'est dit, il faudra qu'on mette pause sur nos projets afin que chacun puisse continuer. Parce qu'alors là, déjà, Elsa, il est en tournée, il vient de boucler sa tournée. Bien sûr. Voilà, et il n'y a aucun souci. Voilà, c'est juste que je respecte le choix des gens et je ne veux pas que le fait qu'il y ait un groupe puisse nuire à quelqu'un. Donc, euh, je respecte le choix de chacun d'entre eux et je leur permets d'aller voir ailleurs le temps que chacun finalise ses projets et qu'on se réunit pour d'autres projets. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors on va revenir avec aussi les projets de l'artiste Amdi Malam dans un instant, parce qu'on sait que tu peux pas déjà du lourd, tu comptes revenir avec aussi force et puissance. Et cette émission permet bien sûr de donner la visibilité à nos artistes, qu'ils soient jeunes, débutants ou qu'ils soient aussi mûrs euh, ou large euh, euh, larges ou légendes dans la chose. Alors Amdi Malam, nous sommes pratiquement à la fin de cette première partie. Là c'est un message, c'est un temps d'antenne qu'on te donne pour que tu puisses t'exprimer au fond de toi. Tout message que tu as tu peux le véhiculer. je parle au nom des artistes, je parle au nom de ces gens qui, qui veillent à ce que la culture aille de l'avant. Je parle au nom des managers qui se battent jour et nuit pour que les artistes puissent aller de l'avant. Je parle au nom des promoteurs qui se battent pour que les événements marchent. Je parle au nom des animateurs qui promouvoient en un mot, j'aimerais parler de la reconnaissance. La musique, la culture et le showbiz, c'est une chaîne. C'est tout un circuit. Il s'agit de beaucoup de personnes pour qu'une seule personne puisse avoir une visibilité. Alors, il faudrait qu'on soit reconnaissant envers ces gens-là qui nous tendent la main, envers ces gens-là qui nous aident à atteindre nos objectifs, envers ces gens-là qui veillent à ce que nos carrières puissent aller de l'avant Amis de la FADA, Zamdaou a chez avec notre sujet du jour, les actions de solidarité des jeunes pendant ce mois de Ramadan. Et on en parle avec nos invités. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous sommes avec Rekia Boubé, président de Arda Nous sommes avec Hadiza Kabo, Givers for Iftar et Tambari de Juven et U-Report. Donc, nous allons continuer avec nos questions. Alors, Tambari, comment vous faites pour vulgariser vos, activités Comment dire Est-ce que c'est nécessaire pour vous que les autres sachent que vous faites ces activités et pourquoi euh, activité est vraiment on ne fait pas ça pour que les autres le sachent ana yin su ne don saboda taimako me kanyot in da ake lance shi wannan ana yin shi dan saboda kowa ya shi me yau ba dan ka taimaki mutum ba za ka cewa sai ka gwadi ka sa bisa rezo sosio kai ta yawo ka ce ka taimaka ma wani dan ya ci abinci ko ya bude baki ko ya samu wani ba mu ba mu sa aksan bisa wannan me biskan mobilisation na resource wannan ana kontaktin mutane wanda ya niya ya bada sai a yi aiki da kuɗi don saboda a taimaka ma mutum don saboda idan ka taimaka ba sai ka yi jiran ba ka ɗauki foto ko ka yi wani abu ka ce sai ka gwada mu duniya kai ka yi no no babu da wannan abu eh la cagnotte ou bien les appels au, au don c'est seulement sur les réseaux sociaux ko kuma kuna tahiya wajen mutane des particuliers ou je sais pas des institutions non, non, non, non. Bisa réseaux sociaux deni. Bisa réseaux sociaux deni a qui lancé donc euh, duk gani ya yi niyya zai iya Me ba zuwa ko ina wurin neman kuɗi. Rakiya shi ya ce in kai taimako ba dole bane ba sai ka bari ya sani. To ke à ton avis, est-ce que le fait de montrer aux gens ça ne veut pas peut-être pousser les autres à venir vers vous ou je sais pas qu'est-ce que tu en penses toi Exactement, moi j'allais dire qu'à la différence de ce que fait JVN, nous nous sommes plutôt axés sur la transparence. Ce qui fait que tout le monde qui a une activité, photo parce qu'on a eu des problèmes à nos débuts où on nous prenait pour des escrocs. Quand ça a un groupe de jeunes sunzo sun ci akudi muke som te makam tan c'est ceto, qu'est-ce qui nous prouve que za ku te makam le Yalla kudin za ku ça cikin aljihun ku et puis c'est tout. Donc c'est pourquoi tout début nous ce qu'on voulait c'était prendre des photos, faire des petites vidéos sans pour autant montrer le bénéficiaire directement parce qu'il y a sa dignité à garder, mais vraiment abubon de muka par exemple lorsque c'est des vivres photo na vidéo mudo orphelinat ne plaque orphelinat diga orphelinat ça c'est une preuve je pense que un muka donc nous à la différence de ce que font les autres on est vraiment axé sur la transparence la visibilité on fait beaucoup de photos avec les enfants beaucoup pour montrer voilà ce que nous faisons et il y a beaucoup de personnes qui sont venues vers nous nous dire que ah nous on avait on savait même pas qu'il y avait tel orphelinat qui existait donc maintenant par votre billet on peut aller de notre côté donner en tout anonymat sans que les gens sachent qu'on est venu faire. Mhm. Donc je pense que quelque part, montrer cette visibilité là c'est bien muna gwaji mutane suna nan ga suna wa waɗansu sai su juya su mata gaba sai su bada nasu contribution son ka a tunda kuma an ce a musulunce ma yana da kyawu in ka bada sadaka hannunka na hagu ma kai ga abin da hannunka na dama ya bada mais c'est juste que ici la différence c'est que gwaji ne muke yi mutane su yarda da mu su san da mu nan ga cutar wanda ya bada kuɗin shi sai ina kudin shi shiga yawa su ga inda kudin shi su ya shiga kuma zai sa waɗansu su ce a ah, suna dan ga yin abin da suka ce za su yi kenan bari ni ma in bada tunda ba ni so in tayi da kaina a gane ni gaskiya beaucoup de personnes qui viennent de manière anonyme su na vraiment ba su so ma mi mentionner sunan su taimako ne suka bada tsakani da Allah kenan ka sunan su ya figire ko ina donc in ba mu gwadi ba su iya sani da muna nan ga yin wannan donc nous à la différence vraiment muna une photo na da vidéo dan mu gwadi mais vraiment ba dan mu ce ba a ah, on a fait mutani non non c'est juste pour montrer que eh Wadan suka bada kuɗi ga yanda muka utiliser kuɗin une forme de preuve exactement Hadiza et toi comment vous faites pour vulgariser vos activités Bon, nous, on a comme nous aussi, c'est les réseaux sociaux, mais c'est également les photos. Sauf que je rejoins l'idée de Rekia, nous-mêmes, on ne prend pas les bénéficiaires en photo. On prend juste, euh, voilà, voilà, les photos de quelques plats ou bien des petites vidéos, tout ça Donc, c'est des petites vidéos comme ça qu'on publie pour que Moutane se gagne. Et Tambéry, on voit, disons, pendant le mois de Ramadan, que les associations amplifient encore plus leurs actions. Qu'est-ce qui fait ça Eh, Kunsan, quand on dit une association, c'est que ça regroupe beaucoup de choses. Wanda ma ya bada lokacin shi na yayi dirijan association, kamar dan saboda cikin zuciyar shi matsalolin mutane na ci mai da ran shi. Shi ne yasa yayi tunda association da kuke gani ba biyan mutum ake yi ba. ba komai ake maka me kai kawai don ka taimaka ma mutane ka shiga don saboda ka samu yaya ne za ka kawo sauyi a cikin jiharka ko a cikin unguwarka kenan don saboda wannan ne kun ke ganin kamar wa'anda ke cikin association lokacin suna ƙara activity su exemplify les activity parce que abun na musu ciwo su gani da idon su yau a ce zaman da ake wani ya tashi ya rasa abun da ma zai bude baki ko ko ya rasa abun da zai ci a cikin journal kenan don saboda wannan ciwon ne su suke su shiga gaba su yi nemo ma wa'annan mutane wani abun da za su samu su buɗe baki ko su samu su ci kenan ciwo ne qui les touche et que eux ils se sont portés volontaires pour essayer de trouver une solution par rapport à cette situation. Hmm. Rekia, kin shi abin To ton avis, pourquoi les associations amplifient leurs activités pendant le mois de Ramadan? lada neman lada paske yau in muna zance kowane ne ma zai sadaka sai ce shi dai gaskiya fandan ramadan kinnan watan azumi so yake ya bada que an ce komi ka bada an so talla Allah sai ya baka shi fiye da yanda ka bada mhm. kuma yahi albarka yahi je paske wannan ne cikin <laughs> mentality kin mutane sai ku gani cikin watan azumi mutane sai su ta vraiment c'est comme vous l'avez dit les associations amplifient beaucoup plus qu'en temps normal et c'est vrai que Mouma on lance des cagnottes à toutes les périodes mais période qui ramadan franchement cagnotte qui mouchapcha shop ne nan da nan objective kina muke nema mun same shi fashin mutane ganin suke sun badawa pandan eh sun badawa cikin watan azumi kuma na san da wannan duka cikin neman lada ne yake kenan so ko je vais dire c'est ça neman lada ne yake sa masha Allah mutane yanzu kansu ya waye sun gane da dan uwanka ya kamata ka taimaka mishi kuma surtout cikin watan azumi yanda Hadiza ke ci a dazu mutum na kwana ya tashi bai ci komi ba kenan ya kamata ka tuna da shi kai kana kwana ciki AC wani na kusanka bai da ma ruwan sha je pense wannan ne yake sa mutane suna bada da yawa cikin watan azumi. To, Amidu la fada kamar yadda kuka sani ita fadar ta muna yi ne muna shakatawa yau a cikin fadar ta za mu shakata. Salamu alaikum. Sasebu, sasebu, sasebu, sasebu. Sasebu, sasebu, sasebu, sasebu. lokaci na yi komi da lokaci shi kumi na duniya da dalili sassor gamanu sassor sassor gamanu maga wa'yansu ba yo amma dole su ya bamu ba wani dan On en parle avec nos invités, nous sommes avec Rekia Boubé de Arda Yeso, Hadiza Kabo de Givers for Iftar et euh, Tambari Idrissa de Juvien. Donc nous allons continuer avec nos questions. Alors, euh, Rekia, da Kezan Faron Tamber, est-ce que vous rencontrez des difficultés dans la réalisation de vos activités Et si oui, quelles sont ces difficultés-là Difficulté da muke samu a no debut sai in mun yi lansan kanyot mutane su ki badawa wata ran kuna ga mun yi lansan kanyot har ta yi in ba mu huce 50 000 ba alhalin kuma muna neman 500 000 ko 1 million donc c'est des difficultés auxquelles on fait face par manque de confiance et surtout le problème de la jeunesse da aka sa ma aka ma de nos jours tun an ga groupe de jeunes sai a ce kai za zo su cinye kuɗi su ne ƙarya suke babu yardan nan donc nous à travers nos activités et surtout ces jeunes ces, jeunes associations que nous sommes en train de créer so muke mutane su sake mentalité kin su gane da ba dukan mu bane guda ice mangoron kuka doka kuna gan guda ya furi guda na kusan shi bai furi ba haka nan ne kuma uwa guda ce ta hido hakanan ne kuma duniya take zuwa takin ne hakanan ne kenan ifo mutane su gane da ba edan eh yannu mu sun yi ba ko waɗansu na kusan ma suna nan gayi ne dole lalle mu ma shine muke nan gayi a'a donc difficulty kin da muke fuskanta irin wannan ne yanzu kuma mun zo kamar za mu ce mutaver les orphelina su ma wata rana ba su da yardan nan eh malheureusement c'est une réalité mutane ke zuwa suna musu first promise sai a zo a ce musu za mu muku kara za mu itace ku bari mu ɗauki foto ku bari mu kara mu itace a ɗauka tare da su sai a tayi da tunan kuɗi su ba su ganin komi donc in kuka je wata rana ver eh, kuka ce musu a ah, kun zo wani abu kuna gani cikin huskar su da ils ne vous croit pas suna kallon ku da su ce mutu eh an sabon shi musu ne to kuma ba dirijan kin za ku gani ba kannanmu da suke marayu su ne za gani su ne ake zo sai a bah, ikon viyan vendre du a ce musu za a muku kara za a muku itace wane ne wane ne watanni zo huce shekara ta huce ba a komi ba donc shi ma difficulté ne da wata ranar kun zo vers l'orphelinat c'est vrai ils nous accueillent à bras ouverts hein. à chaque fois on a été alhamdulillah da dariya da komi ake ce mana komi muka kawo kalilan ko biya yake alhamdulillah Allah ya sa mishi albarka wannan ma karhi yake bamu me il faut que mutane su gane da ba duka kushi ya kamata ba amma c'est vrai que duka kushi ke société toutes les personnes vulnérables ya kamata a je ba mais orphelin akwai haki bisa kansu kwarai da ya kamata mutane su gane su bar wasa da shi donc difficulté akwai su mais alhamdulillah to ni nake cewa yanda kuke lansan kanyon là il y a pas de difficulté parce que c'est plus numérique on paye avec des cartes c'est ça exactement mhm. bon c'est plus euh, bisa kan PayPal da lici et sous su kuma SG kin mu bisa compte kinta personnel ne take budewa in kudin suka zo c'est elle qui récupère le tout elle nous fait des captures jira au fur et à mesure nous montre ga kudin da adago cikin compte après c'est ta turo su ta western parce que ba ta niami mais tout ce qui se fait ici c'est la plupart du temps moi qui les récupère que ce soit Nital Izaze na ni ah, Fafwa duka eh muna sa su eh duka agence muke mm. sawa parce que tana wani kusan gidan su ni ta adako kuma muna sa orange money da airtel money tunda wata rana wani dala 100 yake so aika kuma yana jin nauyin ya tai ni ta ya ci aika dala 100 to difficulté kin da ake fuskanta wata rana c'est vraiment aller chercher l'argent mm. parce que mu yanda muke yi au fur et à mesure muke yi yin update muke yin mise à jour mm. don mu ce ma mutane tel semaine ga abin da muka samu ko chaque deux jours tant que ba mu san nawa da cikin kwanta ba ba mu iya donc c'est un peu compliqué d'aller tout tous les jours si on veut vers ces, différentes agences là pour demander et retirer nawa nawa euh, mise à jour gobe gobe donc vraiment ça aussi c'est une difficulté que je rencontre des fois ou la plupart du temps oui. mais alhamdulillah yanzu muna nanga essayer mu gani les les agences même motemi me magana da su lorsqu'on a des cagnottes je expliquer yanda muke comme ça un hum, bisa kan wani numéro za mu kinga kira a ce muna juste voilà combien il y a sur le compte ça va vraiment faciliter les hum, choses à l'avenir on est en train de donc à l'avenir, il y a la à Inch'Allah. Tambari, et vous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez euh, Les difficultés, Wanda, moi qui euh, souvent, c'est lié euh, à la communication souvent. Parce que Wani, Yana Sonyei, mais Tana Yua, en ce temps, il n'a pas été informé à temps pour venir apporter son soutien. Ce qui fait que Wataran in ma an ba da taimakon sai ku ga kami a yi kolektin duka resource in ana samun matsala tunda shi wanda an ka ba nimeron shi a ce a aika mishi bisa nita ko al'iza wataran wani zai gani a fish zai aika mai tana yiwuwa lokacin a lokacin bai hada mishi ba da yayi anvoyin don sai ya je wajen ɗoka ne tunda ni ma lokacin da akwai nimero na a baran na akwai wata ran sai na zo ni ta sai a ce mini ai kana da wani kuma anvuwa sai sun tambayi ni wane ne ya mini kenan in na gane a nan Niger dai c'est un peu près la même chose quoi les mêmes difficultés y a pas un truc spécifique pour donner en anonymat in ka zo dole sai an tambaye ka dole ne wajen amsa kuɗin ni ta aliza mini sai an tambaye ka nawa ne wa aika maka to wani shi kuma da yayi yayi ne dan yayi taimako Hein. Et la toute dernière question, pourquoi ne pas élargir ces activités-là au-delà du ramadan Comment les gens l'amplifient pendant ramadan pourquoi Aketa pas gardé le même rythme même après Ramadan Commencé depuis 2019 et on avait commencé par ces collègues de fonds là parce que nous on voulait se baser sur le crowdfunding. Donc une euh, activité d'Iawa, da ba Ramadan mais c'est vrai que pendant Ramadan mun samu mun biya zani cewa. Donc là abin da muke danga tsai da kanyatu zamu yi a do cagnottes par an parce que kuma wata rana chaque fois mutane zo suna tambaya mutane gajiya za su Comment chaque mois, on collecte, tout ça, ça va être de trop. Mais il y pendant comme chaque 6 mois, 6 mois, on divise année en deux. Nous avons deux cagnottes conséquentes. Donc, forcément, chaque ramadan, Inch'Allah, daga, année passée de on s'est promis que chaque année, pendant ramadan, on a une cagnotte. Chaque année, Inch'Allah, on va continuer à faire ces activités-là et pas que pendant Ramadan. Mouma, les givers, on compte après Ramadan continuer nos activités, mais cette fois-ci, c'est aussi les femmes, les veuves, particulièrement mm-hmm. On a gâché suna da qu'une fami yake que da savez yi ba parce femmes ici des femmes ici a niyame mem da in su mutu elles sont obligées qu'on a kauye da zama mm-hmm. et voilà l'avenir de leurs enfants tombe carrément à l'eau parce qu'ils sont mis à kauye dans un premier temps on va prendre euh, supposons une seule femme mu yi hira da ita mu gani kaman bisa bisa me za mu iya ta kaman wani activity hakan ga in kasuwanci ne take so ta yi ko kuma aikin hannu take so ta koya on va l'assister ta koya ta samu ta kama aiki ta kula da diyanta donc voilà ce qu'on compte faire donc euh, l'appel que j'ai à lancer aux jeunes c'est de vraiment aider aider aider aider vraiment au maximum du mieux qu'ils peuvent parce que yau mutane suna da yawa da suke cikin bukata mutane suna da yawa da yau comme je l'ai dit abinci ma matsala ne gare su kenan in kana iya taimaka ma mutum ne sai que par publier ce que les jeunes font in kana iya kai edan mutum ko baka da hali ko kuma ko baka da lokacin da za ka yi wannan kana iya partagen na mutane wannan ko baka kana iya kai ga mutum ɗaya biyu wani wanda zai iya interesan shi ce zai iya taimaka kai ma hanya ce ta taimakawa à mm. Greca. Donc vraiment, j'appelle euh, aux, gens, aux jeunes vraiment de prendre conscience de cela. Su yarda da vraiment réalité mon hakana et que a du mieux qu'ils peuvent. Et euh, donc euh, quel est l'appel que vous avez à lancer à l'endroit des jeunes euh, L'appel que j'ai à lancer vraiment comment ya kamata mutane su san taimako da za ka yi shi ne don saboda pour avoir tous les bienfaits de ce que tu fais en aidant une personne et que c'est une bonne chose aujourd'hui na c'est un appel vraiment de solidarité et aussi d'avoir euh, vraiment ce sens d'aider d'aider les autres. Avant de clôturer, on va laisser la place à Olivier avec sa chronique du jour. Amis auditeurs et auditrices, bonsoir. Dans la chronique de ce soir, nous allons revenir sur ce post Facebook du rappeur nigérien Barakina Bawa Allah qui dénonce un boycott des citoyens par rapport à sa musique, mais pas que, à la musique nigérienne. 426 mots, c'est en tout cas le total de mots que le rappeur a utilisé pour interpeller le public sur le manque de soutien à la culture ou tout simplement le boycott des artistes nigériens. Connu pour son franc-parler, le natif de Zender a fait le buzz sur les réseaux sociaux en postant ce jeudi ce que nous pouvons appeler un ras-le-bol. Si le rappeur a commencé par la musique, il a mentionné des secteurs comme la gastronomie ou encore la cuisine. Je vous propose un extrait. Barakina dit En tant que Nigérien, nous avons honte de nos plats. Par exemple, fais une photo où tu manges massa ou dambu ou danwaché, tu vas entendre des trucs du genre il galère. Et c'est quand tu manges shawarma de mille francs que oui, ça va pour toi. Très rapidement, les internautes ont relayé le poste de celui qu'ils appellent le guide et en un rien de temps, ce poste est devenu viral. Amis auditeurs et auditrices, le patriotisme culturel ou économique est une attitude gagnante. Consommer, valoriser et promouvoir les produits de chez nous, les talents de chez nous n'est pas bénéfique que pour les producteurs, mais aussi pour les consommateurs. Plusieurs fois, dans mes chroniques, nous avions parlé de patriotisme économique. Mais si nous revenons sur ce poste de Barakina qui va dans le même sens aujourd'hui, c'est parce que le sujet revêt d'une importance capitale. Et si aujourd'hui les artistes musiciens, c'est probablement parce qu'ils ont besoin du soutien des consommateurs de leur art. Comme l'a demandé l'artiste Barakina, si les artistes en deviennent comme vous en publiant sur tous nos réseaux plein de monde que tout entrepreneur nigérien n'est pas crédible ou allume ou on allume tous les sportifs ou n'importe quel domaine, êtes-vous sûr d'avoir des partenaires pour vous financer ou des clients La réponse à cette question reste posée. Est-ce que vous, vous comprenez ce coup de gueule de l'artiste Barakina Réaction sur les pages Facebook du studio Kalangu ou bien évidemment sur le compte Twitter du studio Kalangu. En tout cas, moi je crois que cela n'arrange personne. Amis auditeurs et auditrices, prenez soin de vous et surtout consommons nigérien. Paix, lumière, amour sur vous. One big love. À demain kawo shirinmu Merci à nos invités d'avoir été présents sur l'émission. C'était avec euh, Rekia Boubé de Arda Yeso Hadiza Kabo de Givers for Iftar et Tambari Idrissa de JVN. Alors comme ils l'ont dit, euh, l'entrée pendant Ramadan doit continuer même au-delà de Ramadan. Et la fada c'est fini aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez en écoute des émissions du studio Kalangu.